Votre bulletin d'information communale, BIC. Euh, journal BIC. Euh, d'abord, merci de votre présence. Parce que vraiment, c'est une présence qui peut justifier. C'est un tour, bulletin d'information communale. Ça signifie que vraiment vous vous intéressez aux activités de la commune. Hein. Alors, moi, je suis Badou Tchoun. Je suis de Castorgui, évidemment école bi école la nag je me suis sama cycle primaire bi la ko mais ensuite euh, fi je suis allé dans les lycées après je suis affecté au lycée Limamoulaye yàgg naa après je suis fa dans euh, dem euh, lycée technique de Thiès Je suis allé dans le cœur du ministère de la formation professionnelle donc dans les activités de communication alors foofu la defee sama retraite ma ñëw alors Castor Guinan, mom, moom en 1963 pour l'école, école évidemment Castor, en 1980, en en 1980 am problème ban problème euh, à l'époque euh, euh, l'État du Sénégal ne pouvait plus absorber le public dans les écoles alors ils avaient initié une une création d'écoles privées alors lolu que justifier xaadimu rasoul fi xaadimu rasoul moy école bi nek euh, bi ngeen di gis foofu xaa occuper occupé flanc flambeau. occupé on a perdu la moitié du terrain une partie du terrain de Castor ensuite mo am benen école bu occupé benen partie du terrain de Castor ah on s'est dit ah affaire bi nak commencer nak commencer si on ne fait pas attention on risque de perdre notre terrain c'était au début des années 80 Nous commencé vraiment def ay action pour pour que état bi arrêté euh, de morceler notre terrain ñu commencé def ay action ñu créer benn euh, mouvement bu ñuy tuddee SOS environnement en 89 d'ailleurs suñu benn xarit bu ñuy wax Ablaye Dieng moom coordinateur association boobu SOS environnement boobu donc li ko gën a sabab mooy ñu marcher le terrain Mais ensuite puisque marché Gueule Tapée dañ ko transféré à Castor, le marché de légumes de Gueltapé. Alors, marché a est extension jusqu'à occuper presque tout Castor surtout surtout koñ marché alors nous on s'est dit mais non il faut que ça s'arrête bon on s'est battu on s'est battu on s'est battu le maire Mamadou Diop culturel le terrain alors là on a une forme de sécurisation bon on s'est battu aussi pour que dégagions les commerçants pour nous nous dem marché Nous tapé ñu dem marché marché Gueule la dégagé dem marché Cambérène alors nous continuer vraiment on avait eu un peu de sérénité c'était en 89 ans hein. bon ñu dem au euh, début des des années 95 16 alors mu am ben maire bu fi bu initié un euh, programme de cantine autour de de l'école primaire nous on s'est dit non ñu jogat xeex maire bi ba vraiment mu abandonné projet Ensuite, ensuite ñu créer un mouvement bu tudd SIDIC c'est-à-dire comité d'initiative pour la défense des intérêts des cités castors 96 97 ensuite euh, euh, mouvement euh, comité a évolué ba nekk association pour la sauvegarde et la défense des intérêts des cités castors C'est ASDIC ASDIC bobu di fonctionner di fonctionner au début des années 2009 euh, Asdik boobu sax parce qu'à à l'époque mon ami Salif Mbaye mon président Asdik, bon moi j'étais dans le bureau alors ASDIC euh, boobu sax moo propulsé Salif Mbaye ba mon maire de la commune de Castor donc man Castor il y a un combat yi quoi combat pour la préservation euh, du cadre de vie pour la préservation de l'environnement parce que nous, Castor man sommes Castor de nous Ben, dafa dafa am benn lien dafa am benn lien de sensibilité dafa am benn cordon dafa mel ni dafa am benn cordon ombilical bu ñu lié donc euh, vraiment moo tax euh, ñu jéem a euh, créer benn association bu ñu tuddee doomi Castor Derklé Castor 3D. maa ngi nuyu suñu mbokku internautes yi di nuyu waa journal bi nga xamante ne moom lañ tuddee big point com di leen jaajëfal ci bi ngeen tànnee ne da ngeen ni ñëw interviewer ma parce que je suis candidat je suis postulant donc à être le président de l'association doomu Castors pour le développement Castors 3D ma ci kontaan lool di ko rafetlu tontu sa question nag euh, kan mooy Mamadou Niang pour présenter wu mun naa ne Mamadou Niang mu ngi juddoo euh, avenue président Lamine Gueye 44 avenue du président Lamine Gueye dañ ko tuddee à l'époque mu nek donc ci l'avenue président Lamine Gueye ak euh, rue Noël Ballet. rue Noël Ballet, croisement rue Noël Ballé mooy dem tol bi ak noonu di benn pénc ci fukki a ñaar yi nekk ci Ndakaaru muy kay findiw rue Noël Ballet, beaucoup ouais, t'es waxee jeune génération mënuñu ko xam dina am ñoo xamantene sax ils sont nés juste après 1960 après les indépendants mën nañ ko bañ a xam waaw ndi Noël Bale Ballé Noël Ballé c' était le deuxième gouverneur de l'AOF waaw loolu di histoire ci Ndakaaru lu tax ma mun koo xam ni man mi nga xamantene suis né après les indépendants c'est parce que je, je, nous avions nous avons un père très qui est qui est très à cheval sur l'éducation ba pare qui, est très, euh, qui aime les questions, questions d'histoire et de géopolitique. Vous discutez de tout, de l'histoire, de la politique, de Lamine Gueye, de cette époque-là, de cette époque glorieuse. Il nous a beaucoup marqué sur ça. Tout ce que tu peux parler d'histoire, euh, il y a bien cawarte ci Et di et c'est euh, regretté wuñ ko pour soi wuñ des fois pour connaître, pour avoir une idée, une appréciation, une appréciation de notre évolution, de l'évolution de notre pays, on a besoin de se projeter et de retourner un peu en arrière, euh, interroger toute l'histoire pour comprendre euh, les mutations. moo euh, nous avons euh, au passage. Djar jaaru Mamadou Moumoudinia, Mamadou donc de jot mu dugg école rek mu école primaire C'est l'école école de la libération école de la libération mu ngi nekk ca port ba waaw euh, mo fi nekkoon di école d'excellence bobu temps pour pour pour vous dire euh, les meilleurs élèves dañ leen doon teg ci table bi nga xamante président Sékou Touré mom fa la don tok parce que président Sékou Touré jàngee na fa école bobu mo jur de la fosse tay moo mo jur lycée technique de la fosse <coughs> excusez-moi

ces, pilotes donc ces pilotes c'était plus basé sur l'expérimentation Les lu de façon théorique d'un ko au niveau des laboratoires donc nous avons une secondaire de série scientifique parce qu'on on était on avait de très des dispositions au niveau des sciences hein, mathématiques et physique bi le pareil, ñu dem université université demandé à la faculté de médecine comme nous demandons à aller vers fac science

école c'est une école euh, d'excellence aussi Elle est formée pour le commandement hein? euh, c'est école la à l'ASECNA et c'est à ses états membres les 18 états membres de e l'ASECNA mais on devait faire aussi une formation complémentaire terminer son étude on l'a terminée à Toulouse à l'ENAC L'ENAC c'est l'école nationale de l'aviation civile c'est qui est une troisième grande école troisième grande école au niveau de la France Il fallait demain, terminer fa formation ba ni ñuy ñibbisee waatee hein, sentir ne war nañu mun a war nañu mun a euh, euh, dans le cadre de de de notre euh, disons de notre plan de carrière am na loo xamante ne suñu entreprise jël na ko en charge dans le cadre de de la de la qualification ñu ñu yóbbu régulièrement stage et cetera mais ñun am loo xam ne jël nañ ko suñu bopp ci la ñu formé woo sur les questions d'hygiène de qualité d'hygiène de sécurité d'environnement etc. cetera ba dem def de formation en consultant actuellement aussi on est consultant sur les consultants en matière d'organisation d'optimisation de plus organisation au niveau de l'entreprise euh, avec audit interne audit euh, audit euh, l'homme mënti audit si ah, imam imam Adama Ndiaye mu ma y' a on a un un ami qui habite euh, Nouadhibou nee Il dafa bëgg a créer les anciens de Castor une euh, page euh, WhatsApp un groupe WhatsApp les anciens de Castor il ne dama bëgg a dugal ma ne ah il bon ma ok d'accord, accord yow a un ma dugal rek c'est mu ma groupe bi alors mais groupe malheureusement on parle que de football de football après moi, imam m'a ko mais groupe bi on parle que de football à seede mais il faut qu'on parle de développement alors ñu créer un groupe bu Castor développement. Voilà, on parlait des problèmes de développement, du marché, euh, du terrain, etc., etc. Bon, ensuite, j'ai une idée. bon, je vais initier ben, une euh, conférence Zoom. une conférence via l'objet Zoom. Hein. Alors, j'ai initié cette conférence-là. Il euh, y a les, les qui habitent la diaspora, les domicastors de la diaspora, dugg ci conférence bi euh, diaspora c'est-à-dire l'Europe l'Amérique et l'Afrique ñom ñom ñu dugg ci conférence bi ñu waxtaan quoi ñu ne bon nañ créer une association mais pour ñu créer association il faut ñu am ay textes ñu ne ma man Badou coordonnel outil ben on va créer un comité scientifique il badu yo yaa coordonner bon alors ñu co créer commission scientifique bobu coordonner ko de large consultation pour nous bind ay textes c'est-à-dire statut et règlement intérieur ba nous des statut et règlement intérieur alors je propose ko presque ñu valider ko il faut une assemblée générale assemblée générale pour ñu le président Domi Castor Derclé pour le développement Castor 3D 3D yi Dom. Ben, bi ben Derklé développement. Il développement les 3D domic Castor Derklé pour le développement bon mooy loolu Castor 3D bon il faut une assemblée générale bon alors dans la commission scientifique je vais déclarer ma candidature à la présidence bon il y a aussi deux autres amis samay samay booy la ñu ah ñoom aussi ñoom dañu président bon ñu ne léegi ne consensus bon ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan bon euh, yëpp si cadre ami ami ay xarit lañu quoi ami kan ñoom samay rakk la ñu man man seen mag laa ci waxtaan pour trouver un consensus quoi mais bon dañ ne même si ñu trouver consensus il faut ñu dem assemblée générale pour valider le consensus su ñu valider consensus bi légui à partir de après assemblée générale ñu seet comment ñu wut ay kayit valable parce que euh, association de transition avec là début là parce que pour nous am ONG nous on va aller plus loin pour nous am ONG il faut que une ci association xam nga fonctionner durant deux ans après tu présentes ton bilan aux autorités tu fais ni tu es apte ñu jox la agrément nga fonctionner en forme d'ONG quoi alors pourquoi bon les gens ils ont fait dañu nekk candidat ben on peut avoir plusieurs candidats mais maintenant, présenter je me suis dit que je ne mën pas dawal mën peut-être pour un, mandat, pas pour deux, parce que je ne suis plus jeune, pour transmettre mon expérience aux autres. mon me présente pour dawal un an un an deux ans le temps de passer à l'ONG ben je passe le flambeau aux autres parce que je veux faire que je veux ambition un peu pour Castor quand même il faut Castor nous a fait naître bon lui, donc je crois que war Castor pour que nous travaillions sur des projets de développement comme le terrain de Castor, comme par exemple l'école bi nous Nous école euh, on a trois on a quatre projets majeurs le terrain de Castor euh, l'école de Castor qu'on doit veut reconstruire le marché qu'on veut réorganiser et, ensuite la mosquée on veut et la mosquée il a un grand espace on veut y mettre un centre de formation Mm, pas seulement de formation religieuse mais de formation professionnelle on a des yi qui ont jàng métiers aussi on des projets de développement pour l'école alors on s'est dit que bon loolu moo tax ñu ne candidat même si ni euh, on n'est pas euh, bon je crois que nous am un bon consensus boo xam ne ñun ñëpp dañuy toog ñu le Castor quoi je crois que c'est important. am importance je crois que c'est mais bien sûr mais ko gagné rek man ko gagné je crois que dina dina mën paré pour accompagner ko euh mais moom daf may jox ay mission dal xam nga euh, su ma même su ma ko accompagner il faut ma am fuma ma yem man hmm, na ma on est grand ñewal jappalé ma fii kooku je n'hésiterai pas à venir jappalé ko quelque jappalé ko quelque part puisque depuis 4 5 mois maa ngi liggéey si taxi affaire yi dafa xaw metti nak trop bon man vraiment dama ne woon sax damay retiré wu mais la euh, commission scientifique les membres de la commission scientifique il ñoo ne ma bon écoute quand foog nga ñëw pour jàppale ñu comme ça ñu seet ba xam euh, naka la ñuy mën a def début bi daal nga jéem piloter affaire après ma leen ma même su fekkee début bi la ah, un mandat là, def et puis je me retire ah, parce que là il faut que je noppalu daal <laughs> parce que là dootuma xale bon peut-être que Dieu merci le dynamisme est toujours là. le mandat présidentiel africain. Le ah? mandat président africain. Oui, non xam nga africain dafa bëgg dafa bëgg nguur xam nga africain dafa bëgg nguur légui euh, moi j'avais initié j'avais dit que euh, dans malheureusement dans, les statuts dans y def disposition le mandat du président est renouvelable une seule fois euh, le mandat du président est renouvelable une seule fois donc deux mandats avec le président bi di mën def vraiment dañu bëgg a defar benn affaire boo xam ne ñu ngi liggéey si texte yi texte yi nag pareegul même suñu élire il faut ñu xolaat texte yi càmbaraat texte yi pour que vraiment ñun suñu fi jógee ñu bàyyi texte yoo xam ne euh, dafay dëgër këj yoo xam ne du am kenn du kenn du ko mën a changer même ñi di ñëw après du ñu mën a changer texte yi waaw comme ça ñu mën a liggéey Castor waaw loolu daal moo doon solo bi wa waaw sama message Castor ben bopp plan hein. Castor c'est la solidarité parce que Castor suñu parents ils l'ont construit dans la solidarité à l'image des animaux qu'on appelle Castor qui vivent en Amérique du Nord Nous, suñuy liggéey seen i entre dañ dañ par la solidarité qui est indi qui des indi benn une qui indi xeer qui indi ko oh, yàlla moo ko may effectivement suñu pap suñu papa yi noonu la def man à l'époque moi je suis né à Pékin, mais sama papa su daan ñëw fii par dimanche dama daan ànd ak moom et je me rencontre dafa am benn moto dama daan teg si moto mu indi ma ba Castor les dimanche ñu ñëw mais je me suis rendu dama fàttaliku ni ñoom dañ doon liggéey en équipe dañuy tabax numéro un par exemple ba mu jeex ñu jël numéro deux tabax ko ba mu jeex ñu jël numéro trois tabax noonu lañ doon noonu lañ doon defee noonu lañ doon tabaxee en équipe donc y a la solidarité xamewoo aussi, architecte xamewoo aussi, cadre xamewoo plombier xamewoo électricien xamewoo maçon ñëpp ñu travailler en équipe alors man dama bëgg vraiment Wa Castor ñu inspiré wu ci exemple yi suñu fait. vraiment ils ont été glorieux tabaxal ñu cité bayal ñu fi communauté yi terrain école marché hmm, juma, église ñun dañu wara préserver patrimoine bobu dal parce que euh, Castor commencer à dégrader. et dans la solidarité dans l'entente nous le Castor. Et président association Castor Castor 3 le développement c'est très simple hein, c'est très simple donc euh, on a observé le le déroulement des choses on a été très passif nous koy subir subir subir subir vraiment c'est très simple hein.

des, des, des résultats médiocres d'année en année, depuis le, plus de 10 ans. Donc écoute, nous non seulement amuñu méthode yu baax seen cadre logique. je vous donne un exemple da ngay par exemple ñu ñëw veille de de de de d'ouverture de l'école nous avons peinture ko peinture boo xamante ne place boobu ñuy peinture fa la ñuy déposer ou le wala guddi gi

day xëccoo oto yi mbedd bi xam boo ko tra tracé tey passage à niveau fu war a jaar du fa jaar ñoom ñëpp seetlu leen bu ñu demee wóorul nag léegi gis nañ ñooñu dañuy respecté loi règlement yi a conformé wu. des fois sax dañuy am kaas rek fekk ñoo tooñ yaa ngi dégg donc au niveau de la commune dama bëgg suñu doom suñu nënd yi suñu ñees suñu sët suñu sët sëtaat ñuy ñëwee ñu ci environnement boo

oto yi li ñu jox ci tali day xam ne nii ndekete àdduna am na lu ñuy am na lu ñuy wax norme am na lu ñuy wax standard am na lu ñuy wax bonne pratique pratique recommandée bu yooyu moo doon garde fu woon day ñëw par exemple bu ngeen ci gërëm gërëm boo ko jëkkoon yi ñu commencé ñu nga danaa bu yëg benn amul sécurité yaay mun na essayer ne ñëw wax te du am dara bu nekk

lépp ko ma joxe boo sol mais mais lépp ko ma joxe yow sa maam sa maam hmm. xam loon tubaab bi man sama maam xam loon tubaab bi hmm. bu lekk jotee day lekk xam nga lu tax dafa nam woon sonn mu nga woon àll ba dëkk ba la nee woon di bay li muy dundee am ay toolam am ñetti jabaram wala ñeenti jabaram wala ñaari jabaram doom yi ci am yàlla may ko ñoo ñooy xëy ci tool ba di liggéey ba boo liggéey rek am loo dundee hmm. léegi ñooñu bu ñu jigéen ci ci ci tool yi ñoom ci réewu daal bu ñu yegsee ci réewu taax yi léegi kenn yore ci da nga si kenn ndeysaan da koy fekk ci tur mu yore ñaari Kleenex ak benn slip wala mu yore paquetu Kleenex yooyu jaune yeeg yu rouge vert yooyu mu yore ci ñetti boîte xam nga moo mm-hmm. mm-hmm. benn ñaar lañ koy jaay benn 500 1500 mm-hmm. amee ci naar libaane ba la ko jaay wala ba la ko jox nga yow ngay ràmb léegi ràmb terme ak vulgaire ak a ñaaw ça ne se pas la dignité nga dem dibaane bi jox la ko moom nañ toog nag te dimanche boobu samedi dimanche kenn dibaane bi sali lay nekkati donc booy yëpp transformé nañ leen en des chevaux en des chevaux ñu jël marchandise bi téye ko rangu nañ ko ne ne ñun ci ak peut benn ñaari blouson des fois bu dee tabaski la mu am ay mhm. nga ci mu jaay kon calcul dina léegi ñu war a delloo libaane xam nga ñu ci am léegi lan la ciy denc. am sa lu mu tabaxee kër di am lu mu tax jëlee jabar et cetera moo non na bu yoree lee weñ gi ñëw taxaw ngeen ko mu sànni ko du ko sànni mais problème bi moy da fi doon problème de choix wonu woon digé dëkk ba ñëw fi ñu koy miroité lo parce que c'est des parisiens aussi bo démé Grand Yoff ñu fa 10 à 15 dans une chambre bo démé ñaay tali ñu ko fa lu maire bi def en terme d'aménagement avec les fleurs là ñom ñoko ko dañu ñu xati ni

Qu'est-ce qui empêche l'État, à travers le génie militaire par exemple, d'aller creuser des puits, des forages ah, mais écoute, c'est encore complexe là-bas. Dis que euh, les politiques de subvention, qui ont des nga jël Le yow par exemple di a subventionné engrais C'est moi toutes ai subventionné tout ça le matériel agricole de subventionné mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est important, certes. Mais aller à destination. Mais s'il y a, si, si vous êtes par exemple en commission à l'Assemblée nationale, par exemple, le député, et le, le, le, le, ministre, le ministre nous hein, euh, en commission de euh, le, député n'est pas monsieur le président, y a ñax joxoon na fukki fukki dans le nga mais peu de pour ma joxoon fukki juróom toog jàppoon il y a un projet de loi destinataire wala ñeneen ba nga xamante ni yóbbu ci ci paysan réel bi nga xamante ne moom la war a yegg day am problème. du yegg sax day faral par exemple am na benn projet bu ma si nekkoon muy biogène euh, war a am PV. loolu daal daal en matière de sous-développement jàpp na yaa wax ko teg sa bopp. léegi lan mooy solution bi par boo ñëwee boo ñëwee ci commune bi man dama ne adduna ñu ngi def dara lu amul cadre bu bu bu baax mu koy teg parce euh, des activités man bu mu hmm. hmm. yaa ngi dégg euh, da ñëw nag financé yu benn set daal set ba mu ko wooyee. dafa amoon amul nopp biir Sénégal yëpp ñu mu balee ko. fekkoon na ne ba euh, bu ñu balee benn yoon lépp set te dootul mu ci limati kon benn rek ngeen. bu ñu ko defee digg digg digg semaine laa la may naan bu ñu da ngay fekk bu ñu suul. li ñu doon sotti mbali bi dañ ko fay sant. camion ba du woon ñëw pour ramasser du woon ñëw te tuut sant sant la koy nekk. ki nga xamante ne amul éducation.